est temps, il est l'heure. pour 2024. Bonne année à toutes et à tous. Toute l'équipe vous souhaite une très belle année 2024. Bonjour fidèles auditrices et auditeurs du studio Kalangou, ravi de vous retrouver pour le premier numéro de la semaine de notre émission Le Niger sur Kalangou dès ce lundi 8 janvier 2024. Merci d'être avec nous où que vous soyez. Vous nous écoutez via nos radios partenaires et en streaming sur le www.studiocalangou.org. Au micro, je suis Ali Moukela Ouseni alias Seno et je suis avec Habiba Ahmed. Bonjour Habiba. Bonjour Seno, comment vas-tu Je vais bien, merci. Seno, nous tenons également à adresser nos chaleureuses salutations à nos collègues qui œuvrent dans l'ombre. À la technique, c'est Amina Hassan et à l'édition Adam Adawaki. Alors Seno, quel est le menu du jour Aujourd'hui, dans l'émission Un menu captivant vous entend, chers auditeurs. Tout commence par un flash d'informations percutant pour vous tenir au courant des événements récents. Ensuite, euh, plonger dans un cocktail musical envoûtant, mettant à l'honneur la musique nigérienne. La session du loti avec le desk femme de Kalangu sera suivi d'analyses sportives par notre chroniqueur du jour, le tout agrémenté par la culture linguistique en anglais et en français. Toujours dans ces nos, dans la rubrique invité du jour, nous recevons M. Habibou Ismahou Hashimou, président de l'ONG Action pour les droits humains, l'environnement et le vivre ensemble ADEF. Avec lui, nous parlerons environnement. Pour l'écho des régions, nous irons à Gaïa, région de Dosso, pour parler de la dépravation de mers. Nous allons clore cette édition avec les messages vocaux de nos auditeurs. Chers auditeurs, installez-vous confortablement. Vous êtes assurés de passer un moment inoubliable à notre compagnie. Sans trop tarder, je vous propose de suivre les flashs d'information avec Rafika Taher. Bonjour. Bonjour Habiba, ravi de vous retrouver ce matin. Alors, pour ce matin, le ministère nigérien de la Défense nationale a, dans un communiqué publié samedi 6 janvier 2024, indiqué que les forces de défense et de sécurité de la localité de Gouté et région de Tilaberi ont fait l'objet d'une attaque terroriste le vendredi dont la riposte de celle-ci a fait malheureusement des victimes civiles découvertes par une patrouille militaire lors de ratissage sur le lieu de frappe le même jour. Selon le ministère de la Défense nationale, des dispositions ont été prises pour porter secours aux blessés qui ont été évacués au centre de santé intégré du Gouté pour une prise en charge immédiate. Samedi toujours, l'armée nigérienne a confirmé qu'un hélicoptère MI-171 de l'armée de l'air a connu un atterrissage difficile vendredi 5 janvier 2024 à Kanchari au Burkina Faso. D'après le ministère de la Défense nationale, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer suite à cet d'incidents technique, mais un blessé léger ainsi que des dégâts matériels. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes selon la même source. Et en diplomatie, le Burkina érige son consulat au Niger en ambassade résidente. En effet, le gouvernement de transition burkinabé a adopté en Conseil des ministres le vendredi dernier un décret portant élevation du consulat général du Burkina Faso à République du Niger en ambassade résidente. Selon les autorités burkinabées, il s'agit à travers cette décision de consolider et de renforcer les relations entre les deux pays en droit en ligne avec la dynamique portée par la nouvelle Alliance des États du Sahel AES lancée en septembre dernier par les deux pays voisins ainsi que le Mali. Voilà pour ce matin. Merci infiniment, euh, Habiba, pour euh, toutes ces informations. J'allais dire Rafika. <laughs> Rafika Taher pour euh, toutes ces informations. comme annoncé tantôt, chers auditeurs, nous recevons aujourd'hui comme invité Monsieur Hashimou Habibou Isma euh, je rappelle qu'il est le président de l'ONG Action pour euh, le droit humain, l'environnement et le vivre ensemble. Bonjour, euh, monsieur Hachimou. Bonjour, monsieur Seno. Alors, merci de nous honorer de votre présence. Avec vous, nous parlerons environnement. Mais avant, écoutons d'abord ensemble la première musique de notre sélection d'aujourd'hui. Il s'agit du titre Doka de Garba Dan Ako. C'est parti. oui, la chanson traditionnelle nigérienne Doka aborde de manière poignante l'importance du respect et de l'application des lois qui régissent notre pays. À travers ses paroles riches en métaphores et en anecdotes, elle souligne la nécessité d'une société où chacun comprend et adhère aux normes établies. Doka sert ainsi de rappel puissant aux valeurs fondamentales encourageant les respects de règles pour favoriser l'harmonie sociale. c'était là le premier titre de notre sélection musicale, chers auditeurs, tout en espérant que vous avez aimé. Monsieur Hashimou, bonjour. Bonjour Habiba. <laughs> Nous sommes à vous et pour commencer, parlez-nous brièvement de ADEV. Euh, merci beaucoup Habiba, merci beaucoup Seno de m'avoir, merci également à Studio Kalangu de m'avoir invité sur ce plateau de ce lundi. Merci beaucoup. Donc, euh, de façon brièvement, je vais vous parler de l'ONG ADEV. Euh, il faudrait reconnaître qu'à l'ONG ADEV, notre objectif, euh, c'est la promotion du développement durable fondé sur la protection de l'environnement et le respect des droits humains. Donc, nous avons quatre domaines d'intervention et cinq objectifs généraux. Parmi ces quatre domaines d'intervention, nous avons l'environnement et ressources naturelles, nous avons en deuxième position droits humains et responsabilité sociale des entreprises. Et en troisième position, nous avons le plaidoyer et le lobbying. Et enfin, en quatrième position, nous avons la gouvernance et le JARA. Maintenant, s'agit-il de, des objectifs généraux euh, En première position, nous avons, euh, c'est-à-dire, c'est de contribuer à promouvoir la protection de l'environnement et l'exploitation des ressources des terres naturelles, c'est-à-dire la terre, eau, minéraux, hydrocarbures, etc. dans une perspective de développement durable. En deuxième position, euh, comme objectif général, nous avons contribué à la promotion et à la défense des droits humains, particulièrement, particulièrement des droits économiques, sociaux et culturels, par une justice sociale. En troisième position, nous avons euh, la contribution euh, au monitoring des activités d'exploitation des ressources naturelles par les entreprises et autres acteurs. En quatrième position, nous avons eh, la contribution à la promotion de la bonne gouvernance et de la participation et de la participation, euh, c'est-à-dire en quatrième position, nous avons la contribution à la promotion de la bonne gouvernance et de la participation effective de la femme et des jeunes au processus de développement. Et enfin, en cinquième position, nous avons le plaidoyer et le lobbying. D'accord. Alors, euh, euh Monsieur euh, quels sont les principaux défis environnementaux auxquels votre ONG fait face euh, actuellement Merci beaucoup. Les défis environnementaux auxquels notre organisation fait face actuellement, c'est-à-dire sur le manque de financement, Ok. Mhm. Surtout, il faut le dire, au Niger, euh, il y a beaucoup d'organisations, surtout quand on dit changement climatique. Changement climatique, les gens n'adhèrent pas. Les gens n'adhèrent pas. Les gens sont très réticents. pourquoi Pourquoi les gens n'adhèrent pas euh, Vous savez, euh, on a un problème de mentalité au Niger. Mm. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous parlez, aujourd'hui, il n'est secret pour personne. Mm-hmm. C'est que l'impact du changement climatique au Niger. Mhm. Il y a le dérèglement climatique, comment gérer l'eau de manière durable. Il y a la gestion des eaux usées et assainissement. Mhm. Vous avez aujourd'hui, le Niger est trop sale. Le même que nous buvons. Mhm. Vous sentez le goût chaque matin quand vous prenez. Et également, l'urgence est d'agir pour préserver l'environnement et la biodiversité. Et la préservation de la de la, et de la biodiversité, mhm. c'est-à-dire c'est un autre enjeu environnemental clé mhm. qu'il faudrait prendre en compte. En compte. d'accord. Pouvez-vous nous décrire les initiatives spécifiques que votre organisation a entreprises pour promouvoir la protection de l'environnement euh, Les initiatives spécifiques, donc il faudrait reconnaître que le terme environnement est récent puisqu'il naît à Paris dans le Grand Larousse de la langue française qu'en 1972, où il est défini comme l'ensemble des éléments naturels ou artificiels qui conditionnent la vie de l'homme. Mm. Maintenant, le défi, et vous savez, il faut protéger l'environnement. Mm-hmm. Et donc, euh, agir pour limiter l'impact des activités humaines sur la planète, sur l'environnement et sur le climat. Mm. Et également, il faut réduire la production des déchets, mm-hmm. limiter l'apport des plastiques dans le quotidien et surtout lutter contre l'émission des gaz à effet de serre. D'accord. Alors, comment mobilisez-vous la communauté et comment sensibilisez-vous le public aux enjeux environnementaux euh, Il faudrait parler surtout euh, de bouche à oreille. Ok. C'est le premier canon, moi, mm-hmm. dont je suis d'accord avec mm-hmm. pour vraiment et toucher le, cœur de nos, mhm. à de nos cibles, de nos concitoyens, de la population. Mhm. Et il faudrait ensemble et que nous bâtissions un avenir plus propre, plus sain et plus durable mhm. pour l'humanité toute entière. Nous devons et nous travaillons où nous devons travailler de concert entre États, entreprises et consommateurs pour nous défaire de notre dépendance au plastique. Promouvoir le zéro déchet et mettre sur pied une économie véritablement circulaire. Ok. Alors, euh, Monsieur Abibou, euh, merci. Euh, j'ai plutôt Hashmi, excusez-moi. Donc, merci infiniment. Nous avons retenu à travers votre intervention que vous souffrez bien évidemment au manque d'adhésion, n'est-ce pas, de la population en ce qui concerne la question liée à l'environnement et vous souffrez également, comme défi, vous souffrez également euh, de manque de financement euh, par peut-être les bailleurs. Et vous avez également parlé de comment mobiliser. Hein, la communauté et comment vous arrivez également à sensibiliser euh, le public aux enjeux environnementaux en, procédant par le canal que vous considérez comme meilleur canal d'ailleurs, qui est bouche à oreille la communication bouche à oreille. Nous allons euh, revenir, mais avant, nous allons prendre une petite pause musicale. Chers auditeurs, euh, voici pour vous cette fois-ci l'artiste Moussa Meitakuno. Et oui, chers auditeurs, la musique époustouflante de Moussa Mei Takwano est une célébration captivante de la richesse culturelle du Niger. Et oui, comme vous l'attendez, sa voix empreinte d'émotion et les rythmes traditionnels qui accompagnent ses chansons transportent l'auditeur dans un voyage authentique à travers les traditions musicales du pays. Sa contribution exceptionnelle à la préservation et à l'expression de la musique traditionnelle nigérienne mérite une reconnaissance et une appréciation continue. Voilà, chers auditeurs, c'était là l'un des morceaux époustouflants de l'artiste Moussa Meitakwano. Poursuivons nos échanges avec euh, Monsieur Hashumu Ismaël. Eh, Ismahou, voilà. <laughs> Très difficile pour nous ce matin de prononcer votre nom. Alors, je rappelle qu'il est le président de l'ONG Action pour les droits humains, l'environnement et le vivre ensemble. Il s'agit de ADEV. Alors, euh, nos échanges, chers auditeurs, portent sur l'environnement. Monsieur euh, comment collaborez-vous avec euh, d'autres organisations et partenaires pour renforcer vos actions en faveur de l'environnement eh, C'est nous, nous collaborons avec d'autres organisations, c'est-à-dire euh, nous regardons si avec les organisations là, nous avons des visions communes nous avons de la complémentarité, hmm. nous avons des équités et des générosités, de la clarté de l'ordre et des attentes, surtout si nos objectifs contribuent hmm. à atteindre ou à impacter la vie de nos communautés sur les questions de l'environnement, de la biodiversité et du changement climatique. sont vos plutôt, quelles sont vos priorités en matière de conservation de la biodiversité euh, nos priorités en matière de la conservation de la biodiversité. La biodiversité, il faudrait comprendre qu'elle est la richesse, la richesse de notre planète. Mhm. Donc elle occupe une place fondamentale dans le développement et sa dégradation menace de nombreux progrès durement acquis. La déforestation, c'est des exemples, entraînent la disparition de puits, de carbone, ce qui accélère les changements climatiques. Mm. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui en cette période de fraîcheur. Vous, vous constatez avec moi qu'il fait extrêmement chaud mm. et c'est dû au changement climatique. Et surtout, surtout, il faut réduire les déchets. Quand vous mm. parcourez Niamey, vous constatez de vous-même que Niamey est trop sale. Et là, il faut les réduire. Il faut les prendre et il faut les recycler. Ah pour vraiment changer et protéger l'environnement. D'accord. Alors, euh, à travers vos interventions, nous avons compris que vous menez pas mal des activités. Alors, quels sont les succès les plus marquants que votre ONG a remporté en matière de protection de l'environnement euh, Les succès les plus marquants et que nous avons euh, remporté, c'est-à-dire euh, nous avons essayé de sensibiliser les scolaires sur euh, les plantations d'arbres, la protection de l'environnement. Euh, nous leur avons euh, soumis un programme qui consiste à un projet qui consiste à écrire dans leur programme, c'est-à-dire des écoles vertes, qu'on les enseigne comment protéger l'environnement de le bas âge, c'est-à-dire de CICP, c'est jusqu'au CM2. Mm. Ça va permettre à l'enfant, dès qu'il grandit, il sera vraiment protéger cet environnement-là dans mm. lequel nous vivons. Très bien. Comment impliquez-vous les jeunes générations dans vos initiatives environnementales euh, Il faudrait reconnaître que la philosophie, elle est participative, effective des jeunes, mm. à des populations civiles, à tous les projets de développement, c'est-à-dire en rapport avec euh, l'environnement. Donc euh, nous, à notre niveau, nous fondons les stratégies, d'une part sur l'information, la sensibilisation, l'éducation et la formation, et d'autre part mm. sur l'appui de toute initiative locale ou collective individuelle visant à la préservation de l'environnement en lien avec la jeunesse donc euh, nous avons des éducations environnementales des jeunes, nous avons des sensibilisations et l'engagement des jeunes dans les activités de volontariat. D'accord. Alors euh, euh, pour finir, quels sont les projets futurs de votre ONG en matière de préservation de l'environnement eh, Ok, Les projets futurs à venir, c'est de passer de la sensibilisation à l'action, tout en continuant à influencer les pouvoirs publics. L'obstacle financier est grand mais des solutions comme le regroupement en réseau, les initiatives collectives ou encore la mise en œuvre des projets financés par les États se développent. D'autres sont encore à inventer. Nous allons également continuer à faire des lobbying auprès des institutions, des bailleurs, des gouvernements. Mhm. Nous avons également continué la sensibilisation du public et des entreprises euh, pour la préservation de l'environnement et le développement de projets concrets en mhm. faveur de l'éducation. Et également cette année, nous allons également mettre accent mhm. sur l'école verte, c'est-à-dire favoriser l'éducation environnementale et au changement climatique dans le projet des scolaires, comme je l'avais évoqué tout à l'heure. D'accord. Et enfin, la gestion des écoles scolaires et à la communauté. Merci infiniment, Monsieur Hachmi, d'avoir répondu présent à notre invitation, mais aussi d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous vous souhaitons une excellente journée, tout en espérant que prochainement, nous allons encore une fois nous retrouver dans ce studio pour parler, bien évidemment, d'autres sujets. Avec plaisir. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire. Oui, Habiba, nous sommes lundi, nous allons parler justice. Exactement, c'est nous. La rubrique hebdomadaire Justice de ce lundi nous parle du droit international humanitaire qui est également connu sous le nom de droit de la guerre ou droit des conflits armés. Eh bien, aujourd'hui, après avoir parlé de la définition du droit euh, international humanitaire ou DIH, nous évoquerons également les sanctions auxquelles la violation de ce droit expose. Tout cela, c'est avec notre reporter Tarnan Foudé Ahmed qui reçoit M. Emmanuel Alfred Koubaji, président du Rassemblement des acteurs pour la promotion et le respect du droit international humanitaire et droit de l'homme. Maître, aujourd'hui nous allons parler du droit international euh, et nous allons évoquer les différents conflits, notamment le conflit qui sévit euh, dans la bande de Gaza, au Burkina Faso et au Mali. Quels sont les crimes qui sont susceptibles d'être commis Les crimes qui sont susceptibles d'être commis euh, au Mali, au Burkina Faso et tout récemment dans la bande de Gaza peuvent être de trois catégories. Vous avez les crimes de guerre qui s'entendent en toute violation grave du droit international humanitaire qui sont commis à l'encontre des civils ou des combattants ennemis. En effet, ici la définition de l'article 8 des statuts de Rome fondant la Cour pénale internationale fait le plus souvent autorité. En termes de cette disposition, la majorité des crimes de guerre concernent les meurtres ou les atteintes à l'intégrité physique des civils ou des prisonniers de guerre, mais aussi le pillage ou la destruction délibérée des constructions civiles. Vous avez les crimes contre l'humanité qui sont une attaque intentionnelle et généralisée contre toute population civile. Les crimes contre l'humanité se différencient des crimes de guerre par le fait qu'ils peuvent être commis même en temps de paix. Quelle est la différence entre les civils et les combattants dans les cadre d'un conflit armé. La différence entre le civil et les combattants dans le cadre d'un conflit armé est prévue par le droit international. La notion de combattant renvoie à tous les membres des forces armées d'une partie au conflit, à l'exception du personnel sanitaire et religieux. Les forces euh, armées euh, peuvent désigner les forces armées régulières d'un pays ou un groupe armé organisé. Il faut dire que euh, les personnes qui n'ont pas encore pris part au combat, mais qui ont été recrutées, entraînées et équipées par un groupe armé non étatique, sont aussi considérés comme des combattants intégrés de facto à un groupe armé. Quant aux civils, ils sont définis comme toute personne non membre d'une force armée. Est-ce que les droits internationaux protègent les bâtiments civils et sanitaires en situation de conflit armé et Bien sûr, les droits internationaux protègent tous les bâtiments civils et sanitaires. Ce sont des emprises qui ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une agression de quelque nature que ce soit dans le cadre d'un conflit armé. Par exemple, bombardements, pillages, privation d'eau ou d'électricité, etc. Mais cette protection ne s'applique pas si ces droits sont mm. détournés de leurs fonctions humanitaires. Pour le prolongement, ben, le personnel médical est protégé par euh, le droit international et ne doit pas être entravé dans l'exercice de ses fonctions humanitaires, sauf euh, bien évidemment s'il participe au combat. Qu'en est-il des journalistes qui opèrent dans les zones de conflit armé Les journalistes sont aussi protégés par le droit international dans le cadre d'un conflit armé. Les journalistes ne peuvent pas être pris pour cible ainsi que leur équipement professionnel. Ils ne peuvent non plus être arrêtés, détenus ou sanctionnés dans le cadre de leurs fonctions. Est-ce que le blocus est interdit en situation de conflit armé Et Le blocus d'une ville ou d'un territoire n'est pas à proprement parler interdit par le droit international, mais il est soumis à des règles. Il est par exemple interdit d'affamer une population civile. Il est également interdit l'utilisation de la famine comme méthode de guerre. Cela constitue un crime de guerre. Quels sont les mécanismes de répression des crimes internationaux, en l'occurrence euh, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les crimes de génocide Les mécanismes de répression des crimes internationaux, notamment les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide qui sont susceptibles d'être commis au Mali, au Burkina Faso et dans la bande de Gaza sont des désordres. Au niveau national, eh, les juridictions pénales nationales peuvent se saisir pour poursuivre et juger les personnes qui n'ont pas respecté le droit international humanitaire. Si ces juridictions nationales n'ont pas la volonté ou ne sont pas en mesure de le faire, la Cour pénale internationale peut être saisie dans ce cas de figure par soit le Conseil de sécurité des Nations Unies, soit le procureur de la Déclaration sur autorisation de la chambre préliminaire, soit par les États partis, notamment le Mali et le Burkina Faso et l'entité palestinienne, qui sont des États partis au statut de la CPI et qui peuvent saisir euh, la CPI dans le cadre euh, d'un conflit armé, dans une situation dans laquelle où il existe des motifs sérieux de nature à penser qu'il peut y avoir la commission des infractions qui relèvent euh, de sa compétence. Il faut rappeler que, en vertu du principe de la complémentarité de la Cour pénale internationale, la juridiction criminelle nationale est compétente d'abord. Donc c'est si eh, un ordre juridique national s'est effondré ou si un ordre juridique national refuse ou manque à son obligation internationale qui consiste à poursuivre et juger les personnes qui sont suspectées d'avoir commis les infractions graves. En ce sens, la Cour pénale internationale peut être saisie. Que faire en cas d'inaction de la communauté internationale dans la poursuite et la répression des crimes En cas d'inaction de la communauté internationale dans la répression des infractions des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, intervient ce que on appelle la compétence universelle et autorise n'importe quelle juridiction nationale à poursuivre et juger les personnes qui sont suspectées d'avoir commis ces infractions. Donc les États ont compétence pour la poursuite et le jugement d'une infraction, même si cette infraction n'a pas été commise sur son territoire ou cette infraction a été commise par une personne étrangère à l'encontre d'une victime étrangère et sans que cet État soit la victime de l'infraction, en vertu du principe de la compétence universelle. Et cela se justifie par le fait que eh, la gravité de ces crimes porte atteinte à l'ensemble de la communauté internationale et c'est une offense à la morale internationale. Voilà, chers auditeurs, c'était là la rubrique hebdomadaire Justice. Habiba, nous allons encore une fois de plus euh, consommer de la musique. Voici Ténéré de abdelsalam Salam. يقص يقص دنيري d'Abdussalam transporte l'auditeur au cœur des splendeurs du désert éponyme à travers une mélodie envoûtante et de sonorités qui évoquent le vaste étendue des sables. Salam réussit à, capturer la majesté du tonnerre. Et oui, les notes semblent danser comme euh, les dunes sous le vent, créant une atmosphère où l'auditeur peut presque sentir la chaleur du soleil et entendre le, doux euh, murmure du désert. C'est une ode musicale à la beauté intemporelle et et mystique de cette région, offrant une expérience sensorielle unique. chers auditeurs, après cette pause musicale, direction Gaïa pour parler de la dépravation des mœurs, n'est-ce pas, Habiba oui, c'est non. La dépravation des mœurs est un fléau qui continue de s'accroître au grand désarroi des parents. À Gaïa, le parent se pointe du doigt quant à la responsabilité de jeune fille. Écoutons ce reportage de notre correspondante de Gaïa, Ramatou Isawanki. a gaya a cikin wasu unguwanni yara mata da shekarunsu bai gaza sha ɗaya zuwa sha shida ne suke shiga biyar maza da kuma wasu tabi'o'i da ba su da kyau wannan taɓarɓarewar tarbiyya dai na ciwo iyaye tuwa a ƙwarya musamman ma uwaye safiya wata uwar ɗiya ta yi mana bayani da cewa tsauni kan kaina na ina shan wahalhalu kuma ni na san wata wahala ta hita wani ma to ta hita wani don yanzu sai ga uwa tana neman diya bata gani ba ta shiga cikin hammata wani kungiyan wani sauran sauransu ko sarmayi dai uwa tana gudu ba ta wangara me ba ta wangara me ta samu dai ta kawo yarinya ga shikinta abu ya buwaya a cewar adama wannan uwar diyar iyayen yara musamman ma uwaye ba su da kwanciyar hankali da zaran 'ya'yansu mata sun kai a wasu shekaru a saboda irin mutane. mutanen da suke kawance da su. Yanzu dai daidai da ka samu yarinya tana da shekara goma sha biyu zuwa sha hudu matsala ta fara samu a cikin gida. kana neman yarinya ba ka ganin ta tana hannun samari samaruka su za yara su tai su kai su cikin lakwal lakwal cikin shi su na cikin daji kai ga mu kanka shara kai ma kanka wanke wanke ka to ka azu tukunya yarinya ba ka san inda take ba kuma in kan neme ta ma ba ka ganin ta ka ini yawo duk in ka ga abokan bakin su guda ina wance su ce ba su sani ba kuma wallahi suna tare yanzu ka ɗauki hanya ka ce daji zaka kana iske bidon ori ba solani nama sun taro yar sun kai in ma ba uwar diya kake wanda ga bincikan dan ma sai ma ayi kwana nawa baka ga ɗanka ma karshe ma sai ka ji labari an ce ɗanka na wani gari ko wata kaza. Kula da 'ya'ya mata yara ta ne a wuyan ubannai a cewar Jamila Haruna saboda a cewarta ubannai ne ba su kula da tarbiyyar 'ya'yansu mata kamar yadda ya kamata da Allah ubanni su sa na hannu mu da uwaye mun ga hanya da iyalin da mara ka ɗauka budurwa uwa ta ce wani ɗiyarka ta samo samari ya ce bai aure sai ta yi karatu in bai yi karatu yana yi miki karatun babba tunda tana jaye ya kawo miki ciki in ta kawo ciki ko uban ya tashi ya jaye wando ya ce kai da dan duka ta gida ku bar musu gida kai da ka aihe ka kaga hadin kahar shi danki ya fara karuwanci ka gaya ma uban ce ta samo samari mai wai aure ta ce ba ya aure sai ta yi karatu karatu biyu bai yi to sai dai daga bangaren sa Usman Kurai wani magidanci ya ce laifin daga uwaye ne kai namiji abin da a bisa gare ka shine ka je ka nemo ma gida abinci a ci a sha amma su uwaye suna tare da ɗiyan kowane lokaci yanzu haka uwa ita uwa ta san al'adar ɗiyarta shi uba ina ya sani yana nan yana haɗi nan tashi nan yana neman abinci tarbiyya uwaye su kama in suna kamawa in uba na kusa ta dan kauci a ce to ka gani fa to nan shi kuma surplus yana iya sa hannu amma tarbiya yana kan uwaye in sun ki in sun so don babu uban da ya sa diyar shi ta yi talla goruba ko ta yi talla lemu uwa ke sa Allah ya sa kuma kin gane tarbiyartar da yara mata da kuma maza yara ta ne a wuyan iyayen biyu duka a cewar matan da mun kai hira da su Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Voilà, chers auditeurs, à l'instant, c'était bien le reportage en région, euh, précisément euh, dans la région de Dosso, à Gaïa. Et on a, nous avons parlé de la dépravation de mœurs. Si vous avez euh, d'autres, chers auditeurs, si vous venez bien évidemment de prendre l'émission en cours, ne vous en faites pas, vous pouvez écouter l'intégralité de cette émission sur notre site www.studio.com kalangu.org. À présent, accueillons notre chroniqueur du jour, le chroniqueur sportif. Il s'agit de Adama Sariou. Adam, bonjour. Bonjour Seno, bonjour Abiva. Bonjour Seno. Alors, euh, Adam, euh, quelles sont les nouvelles ce matin alors, nous allons débuter par l'équipe nationale du Niger, le MENA, qui séjourne depuis quelques jours au pays des Lions de la Terenga à Dakar dans le but de jouer un match amical contre les champions d'Afrique en titre. Ce soir à 19h au stade Ablaywad. Pour ceux qui veulent suivre ce match, il sera retransmis sur la RTS, la radio-télévision sénégalaise. Adam, tu peux nous rappeler l'enjeu pour ces deux équipes Bien sûr, Abiba, Commençons par le Sénégal qui joue son dernier match pour les préparations avant de prendre son avion pour la capitale ivoirienne pour prendre part à la plus grande messe du football continental. Rappelons que c'est une occasion en or pour les hommes d'Aliou Cissé d'avoir les bénédictions de son public avant de s'envoler le lendemain de ce match. Pour le MENA, c'est loin d'être une promenade de santé car il y a quelques jours, la Fédération nigérienne de football a nommé le technicien marocain Zaki Badou à la tête de l'équipe nationale. Lui aura la lourde responsabilité de redresser l'équipe du MENA. Rappelons que le MENA est à la recherche d'une équipe qui pourrait se qualifier pour les prochaines Cannes. C'est d'ailleurs l'objectif que la Fédération nigérienne de football a assigné au nouvel entraîneur. Ok Adam, parlons à présent de la Coupe d'Afrique que la Côte d'Ivoire accueille hein, dans quelques jours. Quelles sont les dernières nouvelles Eh bien, pour être plus précis, c'est du 13 janvier au 11 février 2024. Certains pays commencent déjà à regagner leur camp d'entraînement en Côte d'Ivoire. Il s'agit du Maroc, par exemple, et d'autres pays sont attendus dans les heures à venir. Les installations, tout est fin prêt depuis des mois. Alors Adam, pour finir, faisons rapidement les points de la Super League à la fin de la neuvième journée. À la fin de la neuvième journée, l'AS Nigélec et l'association sportive des forces armées nigériennes, l'AS FAN, restent en tête avec 19 points chacun et l'association sportive de la douane juste derrière avec 16 points. En bas de tableau, nous avons Jean Gorzo de Maradi avec 7 points, AS Police avec 6 points et enfin Akokana FC Darlit avec 5 points. Eh bien, chers auditeurs, c'est la fin de cette page sport. À demain pour un autre numéro. Merci Adam pour toutes ces informations sportives. Chers auditeurs, il est l'heure de découvrir notre star du jour, n'est-ce pas, sinon Oui, Habiba, notre étoile d'aujourd'hui s'appelle Nana Mariam Mehura. C'est une vendeuse de la boule à l'écogar de Magaria. Elle est communément appelée Jari Mehra. La particularité de son activité de vendeuse de la boule est l'heure à laquelle elle mène cette activité. Elle débute la vente à partir de 1h du matin. Notre collègue Maman Ada est allée à sa rencontre. yanzu agogo ya nuna mana karfe ɗaya na dare muna a tashar garin magarya sai dai mutane da dama za su cewa mun zo ne domin shiga mota to ba haka ba ne muna cikin jerin mutanen da suka zo sayan hura wajen na na maryama mai hura wadda aka fi sani da lakanin jari mai hura hura dai na ɗaya daga cikin abincin da ake sha da ake yanta da hatsi amma ake dama ta tare da nono mai tsami ko marar tsami wasu mutanen sun fi son ta da siga yayin da wasu kuma suke son ta ba da siga ba ayar tambaya me yasa mutane suke zuwa sayan hura a irin wannan lokaci jari mai hura ta ba mu amsa kamar haka <laughs> ana yi dai ana yi dai ana sai da hal dai karin daya yayi to yawancin mutane za su ci waga wace irin hura ce sai karhe ɗaya na dare hura ce kawai sauran hura koko dai <laughs> hura ne gangariya yanzu kamar suwa da suwa ne suke zuwa su sha wannan hura karfe kusan ɗaya na dare wallahi ni wasu ba san su duka dai zauwa suke yan nan dai kawai na sani bakin yan tashar wannan wasu baƙi ne wasu yan ina ne ba san su ba wallahi yanzu kamar ita wannan hura da kuke daga ina kuke kawo ta daga nan ne magare kuku da wani wuri me damusa ina ne mai damusa nan arewa nan ake kawo ta to ta hin yi abin tun wani lokaci da kuke fara gyaran dawan hatsin da dai sauransu fara gyaran furen da azar ake kawo shi sulfe a wanke shi ya jika har la'asar a niƙa a tankaɗe a ƙara tankaɗe a je gida a dawa sai a bari sai kusan ƙarfe ɗaya na dare ko sha biyun dare sannan za ka eh kana kawo ta ba to wace kawo mai inji an samu ko mota duk wanda ka samu dai wani lokaci za ku da ta yanzu inda aka samu ciniki kariya za ta yi duk wanda ka samu ko mota ko inji zai mai da to masu shanta ɗazu ina tambaya ki eh mutum tsaza si sai wannan lokaci ya ya shahura hura koko da eh lokacin da ka zo sai ka sha to shan hura da dare ya ba ku mamaki ya ba ni mamaki komi kuna da iyali kuma mai iyalin mai gidan naku yana yarda ku zo ku yi sana'a da dare haka eh yarda suke a ban matsala ko da da dare ne ba matsaloli ya ji matsalar komi alhaji <laughs> lahiya launin dazu na zo na tambayo ne ce jare mai hura eh, sai wani ya kara da wani karin magana me ya ce da karin magana tunda wasu suka ce kawai eh, hura mai hura aljanu tun da dare kai fadi ne wannan kawai masu yin wasa ne eh, mai hura aljanu ba a nasu bangare masu sayan hura da muka iske wurin sun bayyana jin daɗin su da yadda wannan mai hura take haɗa hurarta domin a cewar su hurar jari ta sha bamban da kowace hura ni direba ne na kawo fasinja kuma mun sayi hura lura mun biya ta kuma yanzu halau za mu sake komawa aiki yanzu muna da karfe ɗaya da minti hudu wani banda shi ma ba shi da abin sai hural wannan wani ya sha yanzu wani halau da sahi zai sha eh, abin ba a ɓoye ba ne mu tun da kamar kusan unguwa ce ma eh ba da wata matsala kuma yanzu ma an Allah yara akwai wanda za su fito yanzu sai halau su koma in kun dan jima a nan za ku gan su sun zo ba tuhurar ta sha bamban da ta saura dadin ta ne da dai eh gaskiya a tsabtace ne hmm. eh sabida tana kyautata gyaran ta kwa din tsantsanin ka kawai ka siya ka sha. ba madara ba take amfani da ta Ka gane nonon shanu zahiri shi ne kawai wurin ta ɗauki tuta. In dai ka sha na hamsin ko na arba'in Allah da dandanan kai barci. To su kuma suhural yawanci duka madara ce take kawo to ita ku ta san laganin nonon ne ka ji abin da kuma daga dare ya yi mutanen da suke mu'amala da su daga yan taba yan sigari yan mai haihai abinci bai ci bar daɗi amma wannan dole kai kamar farau-farau sai ka tura sai ka je kai daɗin barci. Duk ranar da tafiya ta kai ku a magarya to ku je shan wannan hura ta tsakiyar dare. Shi direba mu direba ɗan ne kuma akwai masu hutawa wanda yake. C'était là les portraits de Nana Mariama, vendeuse de la boule. Dégustons ensemble notre dernière musique prévue dans les menus d'aujourd'hui. Il s'agit du titre Ya Bismillah des Carnaval de Maradi. Bismillahi Rabbana. Bismillahi Rabbana. Bismillahi Rabbana. Bismillahi Rabbana. Irko Iberi. oui, chers auditeurs, euh, c'était bien là le titre Yabismila de l'orchestre Carnaval de Maradi. Nous osons espérer que vous avez bien dansé sur le rythme de cette belle chanson. Alors, euh, Habiba, on passe au loti du jour. Oui, c'est nous. Les lotis de ce lundi 8 janvier 2024 nous parlent de comment occuper les enfants pendant les vacances. En effet, pendant les vacances scolaires, les enfants sont livrés à eux-mêmes dans la maison, souvent avec euh, des jeux inappropriés ou violents. D'autres restent euh, à longueur de journée devant le crâne de télévision. Comment les occuper Salamatou Kadri et Aminatou Boubacar répondent à la question. kai samira tela din wese wasi wasi eni eh, mil ka bani bafuna din kul tela ganda noni gate chiri zari sifunu wat kul tele gunen ir ko awasa salamu alaikum hey mamu bani kan go so bai kat ko ciyo ga yakini ai go hal window me ai go ga manisi wal bai na ga bugai sai non go sala ai duwano buli zan kai wo dai no ba ga ya lo maro jagendi. hai kunni si ga hansa window ra kal tele gunen ba dai bora mutunga gun wari keke han foyan bora stun television wo maga gundai yi kwara samira haika gihima nigi ne mu zugantaize kaldaini mi hin sugu zamani zan kai wani singi gangi tele guniyan fa to guni me ba ni ga ba ni mi don ton buti kodo hadde mun tun ko ga tele ko mon doka ikan bairano wannim tela wi dai kota kota isi ma ni se ha ya dinga mamu nim da bari bar mai zam tele gunyan wo da ba gumo a ga hinga kan sandai bora ga han bano do haga son ka binde zan kai wani bafuna do hari ha babuli ya dinga ni go faman da sai ka ga hinga bora lutan di wala ma danandi ni lakkalo kanandi mamu dan matkan be gai ko nai won ki dafa. ag hinga kande sandai iwan bafuna do haga sonka binde china do haga da mozan kai lakalai do haga kan yamman to giri hinza ifo no ni gogo faman da sai koi ne mahangana bo koi ne mamu furta jai do haga wo nigidi tela gunyan wodin da bagumu agi kabun bu in poi foga inga chalega wa kulin gai hinne isi ba fa ka gai modin gai wan haigaye matka gi himanda da mo koi ne iwan chawo isati ambuge ingai wa haikan nisa kulla daigati tela din nyen oho niga chumbo buli zamai kwara samira nda chat hal composition wodin ga aga bisa ai go gai bon habon bo hai kan ko ciyo ha ni woni bono ni izo dan tele guniyan yaki ni ni ma ga cinga fa kare dano wal mo mana am ko a wan chal wan do im cinga fore son ni go man dai se kan ya dinga wani masal bambata no ai kan me kalba television wadi no ganan am furcha lai jine zama han fuan da ka ginga faransi ci bata bambata bambata fuan tai se ai wo ai se ba mai ka ga nai se han foya a za dai kan son wani ni bai jini bombun ni hima ga da bar samu wasi ai wo han foyan ai kwara ai na telawi ai wan izo ismail a kafurai se fura da futai da katikatiyan haikan sai na telawi lawi abin da lokacin din kina aka saban da kan a wani hasai lokacin fugai kwara inga dai nuna ino ya marya matkai himagati abin da son ai zan kai dai walla alhamdulillah igin gai furai te haifai mistugin se chogo ido nuga bagai wana kobai vita bagu da baliyan <laughs> de mata non faman dai sai mai buli he son kunno nin hanye hanu te ni bonse hanni gina ni izai maka so bai gugor te lagini duba ga hamzin yan diyan nan gu hadda kanisi aga bisa ibongai ga fergu tonton iga bano mo gubori son daboro kul goni se ngono ni ga faida yim diga kata kata ibon se yakin cine hanfo kalai bino mu koi kayin patiga funga kan ai mu buyi mu koi ga furu de son ai samira ga hanga nai se mu a ya dinga mamu ka deni min haugu buri giri har dai da ko ciyaman giri hinza masta amte tele gune ba a to mo jir ka a himga tela guni. ma bai si jir kan yan a himga gun tela ga da mo lokaci kan a himga da si jiro gun yan oga danga dai bisa gu hinka yan cinno ya nim lakkal da mu ga gun ga di tela ganda ni kan buwa do haka zami ga dan jirgi mar kan no bura himga si jiga din amma ban kwai ne din si ba mu amsi jir fo ni gi hinga kwadi da ngaga kan ga na ngam sa gune wankan si control parental no ya ah buli wo kan ga hantum ganda kan go kurkuto da raki ga dan bore kan manto jiru wai go koi jiru wai cin da hinka filmai ganda ai mu go gai bon ha ifo sai ni go gadan ai si bai me haifo bore kan yan manto jiru wakin idu da jiru wakin da hakubun boda i wanai gono amma da halka son i manto wadin gabo aha son yi faham buli son yi faham gaba internet to bumbo ai go hinga su bana sai k'a ga hinga te abun wala son kunno ni faham kan mamu to ai man ne wo kai samira a ga targa yarda amma dai nimsta dai a min wani kwasa din dangin mu dabal hey buli na nai dofa ba zahun kuna inga na gice ciga masalawo banza ai sihin walla ai zai mu kai tai sai tubba windowa a to a ga bisa Voilà, chers auditeurs, c'était là le loti du jour. À présent, retrouvons la culture linguistique en anglais et en français avec Samira Oumarou. Elle est stagiaire au studio Kalangu et elle nous explique l'expression wish. Chers auditeurs, auditrices, bonjour. Bienvenue dans votre émission préférée culture linguistique. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to your favorite show. En ce début du mois de janvier, nous vous souhaitons une très bonne année 2024 donc vous l'avez sûrement compris, le mot du jour est souhait. Que veut dire souhait en anglais Souhait veut dire wish. Wish. That is the feeling or expressing a strong desire. Ce qui veut dire c'est une aspiration envers quelque chose que l'on n'a pas. Prenons un exemple. I wish you a happy new year. I wish you a happy new year. Ce qui veut dire je te souhaite une bonne année. Je te souhaite une bonne année. Et l'on répond Thank you. Merci. Chaque vendredi, vous pouvez dire à votre entourage I wish you a happy Jum'a. I wish you a happy Jum'a. Qui veut dire je te souhaite une très bonne prière de vendredi. Et vous répondez Thank you, I wish you the same. Je vous souhaite pareil. Un dernier exemple. I wish I could drive a car. I wish I could drive a car. Qui veut dire je souhaiterais pouvoir conduire une voiture. Le souhait est un espoir. Un désir et peut être utilisé comme un élément déclencheur dans les relations interpersonnelles. D'où son importance. Ladies and gentlemen, that's all for today. It was a pleasure to be with you. Thank you and goodbye and let's say I wish you happy New York. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition de notre émission Le Niger sur Kalangu. Vous étiez en compagnie de Habiba Ahmed et moi-même Ali Munkela Husseini. Le plaisir était grand de partager ces moments avec vous, chers auditeurs. Le rendez-vous est pris pour demain avec euh, un nouveau duo.